logement à partir d'autres calpés demande de paiement de factures, de crédit à Yeneni service moo leen di may c'est émission xew-xewu jamono asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam dem mbégte tey di toog yéen fii ci i rajo ITV di ànd ak Ibou Fall te waxtaan ak yéen ci xew-xew jamono xeex xeexu réew mi Ibou Fall ñu lay nuyu dala ñaanal ajuma jàmm ak salaam. Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu kilifa gone gi Kandji di nuyu auditeurs yeeg internautes yeeg téléspectateurs yi samay soppe ak euh, yéen waa ayoo bokkoo ci ñoom bu la <laughs> réew mi temps yi nag. Euh, mm. euh, journaux yaa ngi bind wax ci. Mm-hmm. xibaar bu ñu jot ci suñu natangoo kii di observateur. Mm-hmm. dañuy ne mun am carburant bi. ñox mm-hmm. ko ndax dafa am euh, réunion bi ñu amoon altine alxames bi passé. ñuy waxtaan ci mbir boobu. ñi xam ne ñu ngi yëngu ci pétrole bi pétrolier yi. nee nañ dañoo constaté que dafa am taxe yu bees. ñu dugal ci maanaam ci affaire importation pétrole bi gaz bi. tey ñoom la budd loolu amee. il faut ñu répercuter ko ci prix yi. gouvernement bi waxu ci lu leer. amna na benn réunion bu ñu war def observateur nag yaakaar na xëy na bu moytulee dañuy jëm ci yokkum carburant bi. façon man euh, Alassane foog naa ne euh, le coût de la vie comme on dit en généralement. Mm-hmm. Euh, il faut muy yokku. lu tax. mais parce que la qualité de vie a un coût xam nga mënuloo mënuloo bëgg di faju di solu di lekk lu baax di dëkk fu baax. Euh, di tukki di dem di ñëw euh, muy bokk ak dëkk boo xam ne fajo bi jafe na njàng mi jafe na tali demul ak yooyu léegi man ni ma ko séenee mooy ñun suñu tawat yëpp mhm. suñu problème mooy naka la ñuy liggéeyee ba yokk li ñu am ndax su facture ñëwee nga fay ko parce que de toute façon euh, nous, prix yi ñuy tout fi nan deuk dund bi dafa cher ak mais ça n'a rien à voir avec euh, dans les pays développés Nous, nak li ñu dal euh, on ne travaille pas assez il faut il faut travailler davantage surtout dans le truc agricole travailler à faire que ñun suñuy suñuy propre consommation ñun ñokay defal mais boo nekkee ci nguur gi ñu lay fay salaire. Uh-huh. Uh-huh. bu fekkee nguur gi gul sa salaire. Uh-huh. mun a yokk sa sa dundin. non euh, dafa am ci man ñaar yoo xam ne dañ ci war a teel a jóg. Euh, Alassane ñëpp mënuñu nekk fonctionnaire. wóor na. pour man am na ci ay ministère ak ay kii yoo xam ne vraiment euh, yàq xaalis la. ah oui ah oui amaluñu kenn njëriñ de toute façon le taux d'absentéisme ñi nga xam ne moom la ñuy. ou des emplois fictifs parce que vous ne ni pas dañ koy fay mu ngi xëy di gontu mais amul benn njëriñ pour man am ay ministères yoo xam ne vraiment on doit les supprimer Hein? Mm-hmm. léegi ñëpp ils doivent aller dans le privé entreprendre faire ba ni ñuy exploiter les ressources de ce pays parce que nous ne sommes même pas assez nombreux pour ça donc euh, ça c'est pas un problème léegi euh, ñii nga ils sont indispensables à la marche de l'État Alassane ñooñu waruñu tumuranke waruñu devons waruñu rafle mhm. parce que nous, ñooy fexe ba sénégalais yi nekk ci jàmm je parle des des militaires je parle des enseignants mhm. je parle de des forces de sécurité des forces de sécurité des du personnel de santé mhm. ñooñu waruñu toog di weranteeg ñoom léegi nag l'administration aussi qui fait fonctionner tout, qui arbitre le, le nous la vie économique et sociale ñooñu tam waruñu ñàkk dara. mais mais mais boo bëggee liggéey ci privé bi. il faut que conditions yi ñu mettre ko en œuvre pour nga mun liggéey. léegi soo bëggee béy fa nga am ndox. soo bëggee béy fa nga am engrais. Mhm. fa nga béy fa nga am jiw bu baax. Mhm. fa nga conditions pour mun ko def. Mhm. mais loolu yëpp réunirul. non non non mais il faut ñu liggéey ci parce que ñun su dee dañuy toog xaalis bi ñuy importer ceeb te xam ne ñun ñii ceeb dañ koy lekk suñ ko investir pour ay rizières leer na ma ne mën nañu euh, kii déficit bi. Mhm. Hmm? xomle ko xomle ko ñun fii mburu dafa mel ni lu bokk ci ñun ci suñu habitude. Mhm. Mhm. alimentaire. mais blé moo koy kii lan moo ñu koy tere bay c'est-à-dire que le vrai problème je considère que ce sont les pouvoirs politiques nyom euh, je donne l'exemple un peu du riz la peste la caisse de péréquation a enrichi beaucoup d'hommes politiques. Hum, hum. et beaucoup de de de privilégiés du régime. alors que lim nous donne par exemple dans lay jox autorisation. Hum, autorisation bi kessé soko amone so taxawé ay sandi ci commerçants yi ñu ñu cotiser financer affaire bi nga am sa commission dem sa mhm. mais lolu c'est parce que dafa doon dundal ay nit motax au lieu ñu jël suñu xaliss def ko ci ay ci mbayum ciép ñu on préférait importer parce qu'on gagnait de l'argent dessus la douane. Mhm. Euh, et ensuite les commissions mais si nous avons dëkk bi c'est-à-dire les gens qui qui tiennent l'administration d'importer, importer leen arranger parce qu'il y a des commissions par-dessus au lieu de d'encourager la production. Mmh. mais effectivement. est-ce que nous devons politique parce que si nous avons des la benn départ nous jox la euh, possibilité d'importer. Et si importer ba ci am non c'est une c'est une hein. mafia quoi. non non non non kay man autorisation mais ça enrichit des gens. alors que ce sont des investissements parce que les banques finançaient des bateaux de riz. Mhm. mais suñu on est fii bi voilà le marché. Euh, il faut investir pour que nous mën ko mais je pense que les banques qui ont, acheté du riz auraient financé les rizières. Ah mais le problème que nous wax ci que si on ñu béy riz, ci réew cher ceeb bu importer. parce que sénégalais nous qui payer le prix du du riz. faire mhm. localement. oui non mais xam nga lan mooy wax mhm. il il faudrait que ce soit obligatoire parce que tam le le travail du paysan doit être rémunéré au juste prix léegi wax ci xamuma mooy lan moy du am pexé ci bële du ñëw c'est tout. Hmm. ku bëgg a jënd ceeb bi fi. mais il faut aussi par exemple ay des surfaces emblavées mises en place. mais ça c'est c'est la fonction c'est la fonction pour man y a euh, c'est un partenariat public privé. état bi daf ñu wara duggal ci conditions yo xamné war nañu mën liggéey. Hmm. c'est-à-dire tout ce qui est l'aménagement du territoire. Hmm le réseau hydraulique ak yooyu ba nga xam ne kii bëgg a ñëw liggéey coonaam du bare parce que nag il faut nga sonn mhm. c'est du privé mais au moins que tous les Sénégalais euh, soient en mesure de travailler avec de chances égales mhm. léegi nag yow yaa ciy des sa ñaq sa kii sa xam-xam sa organisation moo lay may nga am une vraie plantation wala nga am sa benn tol bo xamné bon mën na la li ngay dundé mhm. mais ça ci après ci nit ki la. waaw bah, démb sax ma ngi leen soleil mhm. le dossier bi def Chine. le vice président des partis chinois expliqué suñu natango soleil mhm. naka en moins de dix ans ils ont sorti plus de 100 millions de personnes de la pauvreté en Chine. vois organisation. mais le le véritable exploit de Thomas Sankara. c'est qu'en trois ans il a assuré trois repas et de l'eau à chaque citoyen burkinabé. Mm -hmm. L'autosuffisance alimentaire. il n'avait pas nos, capacités. notre potentiel, notre carnet d'adresse. Au contraire, tout le monde lui faisait la guerre en disant qu'il qui indi du mhm. le monde occidental. Mais il a mis les burkinabés au travail, c'est tout. il faut mettre les gens au travail. mais mais a une euh, augmentation de la ci de bi il y a un effet domino Madame transport de yoko, de yoko même jigéen de yoko. C'est bon maintenant ma euh, nous si on dépendait de l'étranger du point de vue du carburant et du gaz mais on parce que nous, on fait cent mille barils jour gaz bi nous ñu ñu kiko dinañ mais nous ñu c'est exporté cest pas normal parce que parce que nous la capacité de raffinage sur place. mais euh, c'est curieux mais là Sarr raffiné du pétrole alors que nous on en avait pas léegi ñu bëgg ñu expliquer ne que Sarr mënu ko ay Alassane yaa cherche l'erreur amagul capacité yi ah. parce que gis nañu ay bateau yu bëri jógee si Sangomar bi yóbbu pétrole bi sur le marché international à Londres tu sais euh, pour man mhm. ci mesure yi waroon ji jiitu capacité de raffinage Sarr dafa waroon bokk ci li ci li ñuy songandoo projet bi am na ah, eh. ñu ngi ci liggéey xëy na ah ñun on fait tout tout tout tout le temps des choses euh, à l'envers Nous, nga xam ne pétrole mais et ça c'était intelligent en faire vraiment ñun ça c'était bi Senghor oui mm-hmm. mais alors nga xam ne préparer l'avenir parce que bi ñuy wax au Sénégal y a possibilité muy am pétrole et gaz il y a na mais les gens se disaient qu'on n'avait pas encore l'expertise à yooyu donc on nañ ci def mais mhm. en attendant tu anticipes en ayant des raffineries rek mais nous heure bi euh, nous nañu mën waxuma la sax ñun li mais lii qui ci bitim nous sax pour tout fournir toute la sous-région nañ ko c'est le même problème avec li may wax ak affaire autorail mhm. Alassane 1800 la fay autorail on n'est pas fichu de faire un train euh, express régional il faut que nous une l'expertise. expertise On ne ñoo mais on travaille pas assez. comment mettre des gens au travail. Hein? mais qui? Euh, Alassane. Hum. déjà pour moi, la recherche. il faut investir parce que le premier investissement. c'est la bonne idée c'est le savoir. Hum, hum d'ailleurs bagn nañ ko ba l'économie maintenant mhm. c'est le droit d'auteur la propriété intellectuelle l'économie du savoir l'économie du savoir mhm. ñun surtout qu'on était bien parti ñun ñoo ci sous-région bi ñoo fi comme université Hein? Mhm. ay polytechnique ak mais on aurait dû investir dans la recherche nga xamné ne ñuy def ni ay technologie ak yoy fi la waro waroon ñëw jël si suñ ko defoon train jaaxal parce que dans les années 70 on avait déjà créé la voiture Gaïnée, genre camionnette mais on on on ne va pas jusqu'au bout de nos de cette logique mais moi je pense que c'est à partir de 80 les 20 ans de Diouf pour moi ont été une catastrophe parce que euh, déjà pour moi Senghor avait une vision c'était de faire de ce pays un pays d'intellectuels d'élite mmh. nga la recherche quand même les sénégalais ne sont pas des nullards mmh. ne serait-ce que dans la recherche sur qui, on a fait autorité dans le domaine mmh. sénégalais donc mais bien sûr donc recherche parce que l'on on a des ressources humaines c'est sur cette question-là qu'on a flanché avec les histoires de rabaisser le la qualité de l'enseignement à l'école nouvelle Nous on l'économie def économie mais ça ça a tué un pays pendant 20 ans mm-hmm. je pense qu'on est en train de le payer cher Oui, mais euh, euh, affaire

la convocation d'Adama à mon fin de moo fi nekkoon di mhm. Adama Gaye convoqué parce que nous ne dafa def ci chaîne Sen TV euh, wax ci affaire de Moussafa Ba. te am na un élément. éléments. mais bon de toute façon je sais que affaire Azer ça a été l'un des premiers à en parler. Mhm. donc euh, il y a des choses qui se sont dites sur cette question je pense que suñ demee ba pas foofu ku ne di werante naan def nag deful nañ dem tribunal. mu àtte ko mu jeex. waaw am na benn affaire bu gën a doy waar Ibou mooy bi libération bi tey l'affaire l'émir Abou benn waay daal nee émir la dafa nekk xaritu ñoom euh, roi yi ak ñoom Salman ak yooyu ñëw Sénégal fii daal nee na xaritu Ousmane Sonko euh, ci li xamante ne moom mooy euh, jege nguur gi ba naan moom xaritu Ousmane Sonko la ba ñu dem benn moment mu arnaqué benn daam Maam Jaara Taal ci li xamante ne ëpp na cent million ñu jàpp ko te ci biir wax ci ñoom Atepa ñëpp dafa dugal ci biir. mais là, il y a fi femme. ah oui ce genre d'escroquerie là. ah oui les lobbyistes. mais quand on dem ci intelligence artificielle dafa ay photo moom ak waaye ñu toog qui. c'est pas nouveau am na fi mës fi am bon d'abord la fameuse histoire de Khalis ça c'est c'est des trucs mais il y a am femme qui a sur des faux accueils. mais il a failli racheter la CBAO dans à l'époque du ah oui ah oui oui.

li c'est-à-dire ils sont ils sont dotés d'une d'une psychologie assez spéciale xam nañ les manipuler après non non non c'est comme les charlatans c'est comme tout ça hein. suñ fay am nuñ lay dañ lay cerner xam et puis c'est tout mais ça c'est c'est vieux comme la société sénégalaise ay ñoo xamné bon ay intermédiation ni ce sont de vrais intermédiaires qui ensuite se servent malhonnêtement ci ñoo ils sont capables de t'inventer une histoire comme comme cinéma rek. contrôle contrôle bu la ñëwee si yow war nga mu dugg diligence vérifier li lay wax. mais xam que yenn yenn information yi xamante est-ce que waa li mu wax. non mais yéen a na a maanaam. xam c'est tellement gros que ça passe. Ah. c'est-à-dire bon et puis ay le prince Salman ak euh, pour vérifier effectivement ndax kii c'est pas quelqu'un boo on peut l'avoir au bout du fil. Oh, l'ambassade, l'ambassade quand même de l'Arabie Saoudite au Sénégal. Ah, tu sais, nak, pour des vérifications. Des, le milieu des affaires, tam, euh, l'Union en Khalis beaucoup de yoy des de grandes, de grosses sommes, des trucs, ok, dañuy tëju sen nek dal dina bon nak lañ koy kiyee signé ay këyit ak yoy entre notaire machin mais du lu ñuy wax ci mbedd mi ça c'est en général aussi les affaires les affaires aiment le secret ah il y en a qui en profitent nak pour dire non la femme de Bobesvi, qui wa ki quotidien recomposition 130 députés pour le parti au pouvoir 16 pour takwalu 7 pour jamandirine 3 pour Samakadou. le reste euh, des listes euh, se comptent d'un d'un Son sonko installe ses poulains et ses bases oui bon de toute façon euh, ils ont ils ont raflé la mise euh, l'utilité qui se met au travail Bon, ce qui me rassure un peu, c'est que si euh, des gens comme Amadouba, Aïssa Sal, c'est-à-dire des, mhm. des, personnalités politiques qui ont exercé le pouvoir, euh, se retrouvent à l'Assemblée pour surveiller, contrôler l'action gouvernementale, mhm. ni on ne peut pas leur raconter d'histoire. Et ça, c'est rassurant. C'est-à-dire, pour moi, euh, la majorité de son co ne va pas prendre une loupe pour contrôler ce que le gouvernement dit. Mais au moins, si tu as euh, des gens qui ont exercé le pouvoir, mhm. qui savent ce que c'est un budget, qui savent ce que c'est et qui mhm. ont les capacités de vérifier même à l'étranger avec tout ce qui se passe. Mhm. Parce que ni c'est pas des c'est pas des débutants de Maguette euh, Birima Mangara. oui assemblée ah nationale. ancien ministre du budget ak euh Aïssata Tall Sall ak mais Alassane gëm si ils font leur travail euh, l'action du gouvernement va être sérieusement contrôlée Et c'est ça qui est important tu n'as pas besoin d'avoir une bon pour faire passer ce que le gouvernement de Sonko va demander ils ont une majorité mécanique amna ci ñoo xamné euh, ils vont même pas réfléchir de les gouvernement nee nañu voté mhm. mais ce qui est important c'est que même si la majorité vote qu'il y ait des députés qui disent aux Sénégalais voilà exactement le problème parce que mhm. c'est ça aussi une démocratie mais avoir des opposants qui n'ont jamais euh, exercé un truc, ça c'est un problème. Mhm. On est obligé après de faire dans la démagogie les histoires de machin. Que mais man li gis moy soudé amna ci ils sont ils sont lourds ils ont un vrai passé de d'homme d'État taxaw fi est ce qu'ils se disent qu'ils vont faire le travail sérieusement je pense que le gouvernement n'aura pas beaucoup de marche au moins pour raconter d'histoire dinañ wax parce que soudé ñom les les anciens là dañu le gouvernement a maquillé des chiffres a fait des trucs a falsifié accueilli te nous ñu euh, à l'Assemblée nationale ça veut dire qu'on a pu les rouler parce que c'était des débutants ni dit dugg ni on ne leur racontera pas d'histoire pour le moment c'est au moins clair Il y a aussi un débat qui se pose sur la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que Ousmane Sonko va dans l'Assemblée nationale Est-ce qu'il va de cette primature débat pose ça, dépend, ça, dépendra, ça dépendra des réformes institutionnelles. C'est-à-dire Sous des membres, il a l'intention de faire du poste de Premier ministre celui qui est une sorte de vice-président et qui peut succéder à son, au président, effectivement, il peut rester, parce que ça, c'est une logique. Donc, donc c'est possible qu'une réforme, article le poste de Premier ministre, ramener l'article 35. Mais, mais je le dis et je le répète, la logique voudrait que le dauphin dans l'exécutif du président de la République soit son plus proche collaborateur. Parce qu'il connaît les dossiers, il y a une continuité. Moi, mhm. je ne comprends pas que quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il y a d'abord la séparation des pouvoirs, et ensuite tu n'es pas au fait des affaires au jour le jour. Président de l'Assemblée nationale, Amna le Premier ministre qui, qui, qui conduit l'exécutif aussi, qui est le chef du gouvernement, il est le mieux placé pour succéder au président en cas de défaillance. Et moi, je pense que c'est ça la bonne logique. L'article 35 de Senghor, là. Mhm. Mais je pense que c'est ça qui est normal. Mais le président de l'Assemblée nationale ou le du Sénat qui remplace le président de la République, pour moi, là. Non, c'est pas logique. Comme ah tu penses qu'on va faire une réforme si il reste à la primature, mhm. ça veut dire qu'il y aura une réforme de ce point de vue. Sinon, il est plus avisé de rester de prendre le perchoir réforme ba amee sur de dauphinat mais Sénégal a naan dauphinat à fii. ah qui qui qui kay du dafa qui kay c'est le patron patron <laughs> Mom, il n'a pas un statut de premier ministre comme les autres hein. c'est ça le problème donc euh, il va imprimer sa marque Les euh, président de l'Assemblée nationale tu es à l'abri d'un décret. Mm-hmm. Hmm? sauf dans deux ans ñu tasse assemblée mais sinon. Premier ministre, on peut te limoger à, Et si tu renonces à ton mandat de député, tu deviens, tu, as es à la merci du président. Parce tu ne peux pas être député et Premier ministre en même temps. Non, tu renonces à ton mandat. Euh, le président, il te limoge, tu n'as plus, de, tu plus de recours. Mais, mais il n'y a qu'une configuration de Lolo. C'est une autre configuration. Configuration bétail, hmm. c'est le président de l'Assemblée nationale euh, qui est le dauphin constitutionnel. Un. Deux, puisqu'ils ont une majorité, Mom, il est en mesure de nommer un Premier ministre et de contrôler l'action du gouvernement euh, depuis l'Assemblée nationale. Mmh. Mmh. Ça, c'est ce qui est dans la continuité. Donc, Mom, le président, bi, pratiquement, de dire mmh. Sauf que dans la hiérarchie, c'est le chef de l'exécutif qui est le, patron du pays. Mais l'autre logique, c'est une réforme euh, qui donne plus de pouvoir au Premier ministre mhm. Hein, mhm. et l'Assemblée nationale euh, qui sera aussi, parce que c'est lui qui a fait sa liste, il a mis ses hommes. Donc, du cofonto. Mhm. Hein. Dans les deux cas, il contrôle, c'est le maître du jeu. Maintenant, au niveau de l'Assemblée, il y a une réforme, pour le pays. Mandal. Euh, m'a waxu sama liste nationale est ko ah oui ah oui ça ça te crée des monstres da ngay fal le ramener, il ne représente personne parce que quand c'est les listes départementales les gens votent pour quelqu'un qu'ils connaissent et qui réside là-bas et qui peut défendre leur département mais la liste nationale tu vois des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la politique raw liste départementale bi qui fait gagner qui kii et que mais liste nationale c'est c'est la mhm. proportionnelle. cest à dire si tu as 15 mhm. euh, du truc tu auras 15 sur la liste nationale. Bonjour ñu xoolee maanaam euh, mode bi scrutin bi nu mel légui, ñu bari ñu question naka la ñu mun a euh, plus de 1 million 900 et quelque votel plus de 130 députés. Mhm. ñu en a 1 million et 800 quelque. 35 députés. mais ils ont pris 40 40 rien que sur Dakar. ça te fait 7 députés c'est-à-dire la liste départementale pratiquement mon moyen est-ce qu'il faut revoir. Non, ils ont 54 hum. ils ont 54 du scrutin. Hum. donc ils ont sur la liste nationale si on avait 100 ils en auraient. 50 hum. déjà. tout le reste euh, sur les 46 ils ont pris 40 euh, départements. mais c'est un rat de marée non mais hein? il faut aller réforme pour refléter les populations bëgg à la hmm. la liste nationale crée des monstres politiques il faut que tu viennes de quelque part tu euh, la base c'est-à-dire le département hmm. choisit son député à la hmm. limite on peut faire un député par département et un député par région ça veut dire que tu te retrouveras à peu près avec 60 députés Hein? Mhm. qui ont les moyens de, avec les moyens de contrôler de vrais cabinets, de contrôler l'action du gouvernement et de mhm. défendre les intérêts. C'est-à-dire, ils vont contrôler l'action du gouvernement central, de l'exécutif central, et contrôler l'action du gouvernement, des exécutifs locaux, les maires. Mhm. Hein? Moi, je pense, mais euh, la liste nationale, tu peux y mettre n'importe qui. Quoi, ramener, et ba pare amul légitimité ça. waaw mon na mun na sentir boo à a naa à. vraiment. non day nekk le député. de son parti. mais il sera pas le député des des. des populations ça c'est un problème. waaw vous ñu xoolee chiffre un million neuf cent voix. Mhm. pour cent députés. L'opposition a eu un million six voix. pour 35 sièges avec un taux de quarante C'est la liste nationale qu'il faut faire sauter. Mhm. oui je suis formel vraiment yo. et puis ça permettrait même qu'il investiture yi kenn donne sa c'est-à-dire mënoo fait parachuter quoi xam population est comme ñoo koy voté Si ko soo jëlee risque parachuter racheter xamu ko tu es sûr que tu ne passeras pas. mais le monde na bañ a arrangé pouvoir par des députés à le remercier. ah mais de toute façon il loi a ba loi ñu imposer. mais le problème c'est la question de la séparation des pouvoirs parce que le député qui doit son élection à son département, à la base, et aux populations qui lui ont dit tu vas défendre nos intérêts. Hein? Mhm. Mais même sous boké parti, parti gouvernement bi, sous s'il fait pas son travail, il sera pas réélu, il va faire son travail. Il sera d'abord le député de son département avant d'être un militant de, qui que ce soit. Et ça, c'est important. Comparé aux chiffres par rapport au nombre de votants, euh, le passif domine l'Assemblée nationale, mais perd plus de 400 000 voix en 8 mois. C'est le taux d'abstention. aussi, euh, parti pouvoir aussi, c'est un chiffre C'est le taux d'abstention, parce que ce moi, j'ai vu, hier, j'ai regardé, ce ne sont pas des chiffres très viables, mhm. mais d'après les il euh, y avait 4 600 000 euh, électeurs en mars. Mhm. Hmm? Mhm. il y en a 3 600 hmm? euh, sur 7 millions d'inscrits. Mhm. Donc, euh, tu as pratiquement perdu 800 000 électeurs. Donc, les 400 000 que PASTEF a perdu, c'est la moitié des, gens qui se sont abstenus. L'autre moitié, c'est. Mais la abstention. Hmm? Pourquoi les gens ne sont pas. Moi, je pense que d'abord,

le débat sur pendant la campagne là waxul sénégalais lan déjà ça peut ça peut désintéresser les gens deuxième chose c'est la violence les gens ne vont pas prendre le risque de prendre une balle perdue pour aller voter ah parce que pour nous, on n'a pas posé le débat de l'emploi des jeunes on n'a pas posé le débat comment le créer Quand on a que massivement des immigrés 300 000 immigrés par an mën a bénéficier nouvelle réforme sur l'immigration waaye espagnol bu ñu koy def defuñu ko parce que bëgg nañu def loolu waaye ils ont constaté le vieillissement de la population. bien sûr soxla nañu ay ndaw. seen réew ndaw yaa ngi jël gaale di di dem bien sûr est-ce que loolu nag appel d'air par rapport aux jeunes yi fi nekk. man euh, que suñu suñu njaboot di dem ay Espagnol yooyu pour man c'est c'est le constat d'échec de nos politiques parce que ñun waroon nañu fexe ba. Euh, suñ leen ne woon ñëw leen di dig leen lu ne ci àddina sax dañuy dem ñoo lànk fii moo ñu gënal man loolu laa jàpp. Mhm. maintenant euh, nous sommes des citoyens du monde am nañu droit euh, dem fu ne ci àddina ku mu neex dem installé fu la neex te loolu mooy cëru nit. Mhm. man li ma naqari mooy que ñun les les africains là les pays sous-développés comme on dit. Ah, on nous demande des visas avec des conditions pour nous faire entrer quelque part moi je trouve que c'est insultant. Mhm. Alassane nit de ci ba xolam mais Espagne 300 000 personnes bu pour amener une force de travail. en tout cas l'un de mon accord, la euh, semaine dernière, mhm. euh, dafa mel ni daf fi am genre déluge ay une ville en Espagne boo dafa. dafa mhm. problème inondation il paraît que immigrés la réaction des immigrés ñom ñoo génn raxas dëkk bi set il paraît que ça a été perçu de manière très. très favorable waaw mhm. xam nga comme ñun suñu suñu gars yi ban coupe du monde du Russie loon. les supporters sénégalais Japon loolu. bi ñuy raxas euh, mhm. ça c'est des choses yo xamné après on te regarde avec respect bon ça peut faire partie des choses qui ont qui ont débloqué la situation. Mhm. façon pour man nous sommes des citoyens du monde c'est-à-dire mm, comme ça tu as envie de vivre en Espagne parce que leur culture te plaît accueille mais war nga fa pas installer si tu en as les moyens il faut rek ah, pas pas que réfugié économique parce que entre celui qui file en catastrophe parce que dafa ne des dara fi ak il fait un choix mais vraiment personnel ne culture bi moo ma Hmm? mais le constat qu'on a fait sénégalais mais c'est parce que Alassane on nous a vendu un pays désespérant c'est-à-dire fi dañ lay fi war fi parce que dara baaxu fi. tout est cher ah, tout est médiocre tout le temps donc sauf bi bon en plus quand tu te promènes dans les rues la saleté, le désordre, la désorganisation que eu, tu n'es pas motivé. Mais si en plus l'image que tu as de ton pays est fortement chargée, négative, mais au premier appel d'air, nga dem ah, pour le constat bi suis def Dakar sax même booy dem léegi ville yenn yenn ruelles ruelle ci Dakar boo dem da à Dakar, nekkoon ndax tali nu ñu yàqoo défoncé partout tu as l'impression d'être dans un grand chaos. Tu ngay xam nga nord ku yëpp ay ay tuyaux yu toj ay Sandaga hmm? ndox bi wala wala ngaan partout ri euh, Mohamed ri Mohamed 5 euh, hmm? ndox baa ci mbedd mi ah, personne ne fait rien non xam nga pour man loolu lan la indi en plus hmm. c'est aussi le signe d'un d'un régime en décadence man je me souviens année 80 fin 90 digante 99 98 2000 il euh, y avait ce sentiment que tout était médiocre. Même, tu sais, policiers dans la rue, tu voyais leur, leurs uniformes étaient un peu effilochés, accueillis. Ça manquait de, de, qui Et Biwa tu as, remarqué tout de suite que leur tenue était mm. devenue respectable. Pour moi, un mm. régime qui, perd de, son, de sa vigueur, qui est décadent, tu signes ay a qui ay courant coupé tu te dis mais attends euh, ces gens ne travaillent plus. Mhm. parce que quand tu travailles sérieusement le résultat se voit donc euh, je pense que c'était la fin d'un régime bon maintenant la transition elle va durer combien de temps à partir de quand on va se remettre au travail et le sentiment de désordre euh, dans l'église de si le bi respect l'indiscipline partout même si il rouge rougir, c'est presque a des gens qui ont feu rouge à la limite pour pour la nga taxaw rouge. Ah, grillé quoi. mais c'est c'est à la limite devenu culturel de d'enjamber les règlements de de faire ce que tu veux man wax rek c'est dans quel pays normal tu vois deux systèmes d'immatriculation. il nekk ay DK il ay ça c'est c'est des trucs comme ça c'est tant de petits détails hein. mais qui te montre le laxisme qui règne dans ce pays ça c'est un problème mais loolu ce qui veut dire que les gens qui doivent faire le travail. c'est ne le font pas defuñ sanction dara. c'est ça le laxisme et pour moi c'est un régime décadent qui qui a et c'est pour cela ça explique aussi pourquoi il est tombé parce que liggéeyul. mais comment se fait il nit nit jóge que war na dem liggéey ñu sas ko que réew mi jox ko liggéey mu war a koy fay loolu mom moom inconscience bi xamantene mom ne moom bu faalewu ko du ci def dara bo demee ci bureau tuba hotel ndekki bi moy taxarnacé ndàmbe yi ci bureau yi ni dék ci di ubbi ay téléphone portable ubbi nekk ci réseaux sociaux yi di wax guddeeg bëccëg soo ñëwee wut kayit sax lay taxawlo ah, à la limite soofante la yow client bi yow mi xamantene yaay citoyen bi xëy sa impôt mo la di fay. mais c'est c'est c'est c'est que les comment dire ça l'élite enfin, ce qui nous sert d'élite, parce que pour moi, ce sont des privilégiés. L'élite, c'est autre chose. Mhm. Mais ceux qui sont aujourd'hui aux affaires ne sont pas exemplaires. Ça commence comme ça. C'est-à-dire, yo, soudain, y y a patron un ko mhm. Il donc le travail ne se fait pas. moi je pense qu'il y a y a quelque chose euh, qu'on doit remettre euh, au cœur du c'est le culte du travail c'est-à-dire la ponctualité. Euh, l'assiduité, la, hein, euh, le respect de, de son travail. Et pourtant, les outils sont là. Ah, digitalisation, BioArdef, pour contrôler le ministère c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Alassane, moi, il est meilleur. Tu peux avoir les ressources naturelles qui, que de grands pays n'ont pas. Hum. dire comme le pétrole le diamant le si tu n'es pas travailleur, ton pays reste un pays pauvre. Gabon, euh, mhm. bi n'est pétrolier Hein dara à quoi ça a servi pas à développer le Gabon. si tu te rends compte des récits ou comment il s'appelle. Mhm. Robert Bourgi. Hein? Oui. Robert Bourgi, oui. Tu, tu vois à quoi mhm. servait l'argent du Gabon Le Gabon. À, financer, financer, les partis français. Alors, mais mais mais beaucoup xoolee Sénégal lu moom ressource ce gis Dubaï à moins peut-être de 50 ans fuñu désert bi nek fi xam Sénégal yépp légui dañu bëgg dem Dubaï. fay dem di photo di def lepp Burj euh, Ali tout bi réew mi am ressource yooyu. on est incapable de faire quelque chose de ça pour notre pays. leadership tu sais pour man ki am vision ce que j'appelle un troisième œil moy ki nga xam da fay tok il voit ce que doivent être les générations. Futur, c'est pas une, deux, mais dix générations. Voilà ce que. Prospective. Prospective. Quoi mm. Tu mm-hmm. Et quand tu as quelqu'un comme ça, et je le dis malheureusement, hein, pour man, et un Senghor, et un Wad, étaient des gens de cette dimension-là. Hmm? Mm-hmm. Euh, c'est que c'est le peuple sénégalais qui n'a pas mérité de ses leaders. Mm-hmm. Parce que man, je sais tu vois, les gens ont cette culture du travail du respect à on dit que dit, dañuy décoller bu mm-hmm. mais c'est que nous, c'est nous qui ne sommes pas travailleurs bah, on préfère euh, se mêler des affaires des autres. il faut ñu parce que il faut changer parce que nous monde continuer éternellement dans ça. je suis convaincu que de toute manière euh, on a une république un État qui a qui est assez ancré, assez solide pour mettre les gens au pas. Et il ne nous manque que ça, c'est-à-dire la volonté politique. Parce que si tu, as, tu passes ton temps à calculer la prochaine élection, tu ne vas contenter personne. Tu vas mécontenter personne. Mmh. Hum? Mmh. Si tu te dis, man, je vais faire mon travail et m'en aller, parce que c'est mon devoir. Mais est-ce que les leaders sénégalais politiques, ils ont le sens de l'histoire Est-ce qu'ils ont le sens de laisser quelque chose à la prospérité euh, Senghor et Wad je crois fondamentalement qu'ils avaient ce truc-là. Euh, les autres, j'en doute. Mais Wad en 2000, il a fait sauter beaucoup de digues. Hein? Non, euh, c'est avant 2000. Wad c'est même, disons-le comme ça, depuis 1974, qu'il a, qu'il a grignoté sur vraiment les rigidités de la République. Il a fait tomber une citadelle. Et ça, c'est marqué l'histoire. Mhm. Senghor, il a mené son pays à l'indépendance. Ça, c'est marqué l'histoire. Hmm? Euh, ils n'ont peut-être pas la même vision. Senghor, c'était quelqu'un qui, aurait misé euh, sur la culture, sur, le, savoir, mhm. Mhm. c'était un homme d'affaires c'était l'argent, les finances, euh, etc. Mais ça tient la route. Parce que Sénégalais dafa bëgg koppar. Mhm. c'est le profil même du Sénégalais. Non, mais koppar bi nga liggéeyul si. non non non mais maintenant. ay comme dañu bëgg Khalis, mhm. nous leen nu ñuy que tu sois dans la finance, que tu sois dans la transaction, le négoce que mais il y a une culture qui va faire qu'après, tu investis pour construire ton pays. apparemment jàngal xaalis bi mooy escroquerie truand moom ak. non non mais mais ça c'est quand tu laisses les choses aller non euh, comme ça mais soudain, il y' a une vraie culture par exemple il y' a des aux États-Unis mais il y' a des comment on appelle ça les femmes. ay. lobbies, lobby ay lobby non pas pareil. ay ay zones yoo xam ne. Khalis, les les comment les bourses accueillent ça c'est une culture. il y a de la formation mm-hmm. Wall Street mm-hmm. il y a une formation il y a tout pour ça Londres c'est pareil Paris c'est pareil c'est-à-dire ça c'est une vraie culture nous par exemple quand on parle de bourse régionale mm-hmm. mais les Sénégalais devraient parce que dañu bëgg xaalis. donc war nañu xam naka la ñuy gagner de l'argent malheureusement on euh, on nous a pas éduqué dans ça on a l'impression que on laisse les gens se débrouiller Waouh Taba taba. escroquerie affaire tout taaba taaba nit ñi xam nga. Ah. ñak jang bi la. ñak jang bi mo indi mais si tu as un pays où les gens sont des financiers ils aiment ça. parce que Mor pour euh, jënd ak jaay. voilà hmm. mais il y a une école ça s'apprend pour faire partie de la finance mondiale les Sénégalais sont partout dans la banque mondiale donc ça aussi c'est une vision du Sénégalais. Hum? mais ne pas avoir de vision man lol et tu es chef d'État mais comment fi au mi ah après finalement le pays reste extinct. c'est ça Mais fu mu nous benn ah, parce que ay réew yu nekk sous Afrique d'avancer. avancé boo Rwanda euh, quel que soit le reproche qu'il qu'il faut fa ne da ngay rus ndax. de toute façon euh, et, et c'est ça le plus important un guide doit savoir où il va avec. son peuple voilà. Les nous euh, na mais au moins euh, tu choisis une destination pour ton pays parce que pour moi, le Sénégal a plein de potentiel de potentialité mhm. que ce soit les ressources humaines que ce soit les ressources naturelles sa position géostratégique euh, son aura diplomatique mhm. donc ñun waruñu mais il faut choisir il faut choisir il faut un bon leader qui qui prennent les bonnes décisions te loolu moo ñu dese. Ibou Fall maa lay gërëm di sànq waxtu bu ñu àppaloon jeex na. xam naa ba semaine la di ñaanal semaine prochaine incha allah mhm. di ko tous les auditeurs de iRadio et de ITV De gërëm tamit équipe technique bi ah kii di Ousmane euh, Ousseynou Ndiaye ak Charles Coulibaly ak ak aussi Dami yéen doog jàmm.